J'ai fait plusieurs autres émissions ici et je crois que toutes mes activités sont très bien couvertes par euh, le groupe GFM. Euh, donc nous étions là pour euh, rendre visite à ce groupe, qui est un groupe de presse extrêmement important dans ce pays. nous remercions le président du groupe, M. Birandour, le directeur, M. Boubandour, et tous leurs collaborateurs, Aladia Semgei, M. tous les autres. Nous les remercions pour cet accueil, qui a été un accueil chaleureux et surtout les discussions assez profondes que nous avons eues, euh, qui nous ont permis de discuter globalement sur la situation du pays, mais également sur la situation de la presse. C'est une visite euh, de solidarité euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il n'y aurait pas que ce groupe a fait l'objet d'attaques et à à subir des, dommages matériels. Heureusement que ça s'est limité à cela parce que ça aurait pu, être plus grave. C'est des pratiques que nous ne pouvons pas Parce que les groupes de presse ne peuvent pas être notre adversaire. Les groupes de presse font leur travail et couvrent simplement une actualité. Chaque groupe de presse a une ligne éditoriale et ça c'est valable dans tous les pays du monde, qu'il faut respecter. Mais au-delà, je ne vois pas en quoi un groupe presse peut être euh, conçu un danger au point de faire l'objet d'attaques euh, physiques. Nous le dénonçons, mais nous lançons un appel à tous les Sénégalais et à ceux qui se réclament de nous, comprendre que euh, nous n'approuvons pas ce genre de pratiques, nous ne les recommandons pas et nous le demandons, à l'avenir en tout cas, d'éviter ou de cesser toute pratique similaire, de respecter euh, la presse, de la laisser exercer librement son travail, puisque tantôt on peut euh, euh, en avoir contre tel organe de presse parce que la manière dont telle ou telle information a été donnée n'est pas, en votre faveur, et tantôt on applaudit parce que c'est le contraire. Et donc nous devons tous nous élever au-delà de ces contingences et comprendre que la presse eh, exerce un métier de service public. Et que s'il n'y avait pas cette presse-là, je ne serais pas là en train de parler aux Sénégalais. Au-delà, c'est des citoyens sénégalais, des citoyennes sénégalaises qui travaillent ici. C'est des investissements assez importants qui ont été consentis. Il faut qu'on prenne compte de tout cela et qu'on comprenne que parmi ces citoyens qui travaillent dans chaque groupe de presse, il y en a forcément ici même à GFM qui, même s'ils ne peuvent pas exprimer ce sentiment, euh, sont favorables à Ousmane Sonko, comme il y en a d'autres qui sont favorables à d'autres acteurs politiques. Et c'est cela la démocratie. Donc au-delà, nous avons quand même eu à nous entretenir longuement sur euh, beaucoup d'autres problématiques. Et cette euh, rencontre, à mon avis, a été salutaire et nous a permis, autant l'acteur politique a besoin de la presse, autant la presse a besoin de l'acteur politique. C'est des relations complexes, difficiles. Et comme me disait un journaliste euh, il y a trois jours, c'est des relations indispensables qui doivent être à la fois proches et distantes. C'est des relations pas évidentes. Et je crois que euh, la collaboration qu'on doit avoir avec tous les organes de presse doit répondre à cette viatique. C'est autant nous sommes ouverts et disponibles, disposés à travailler avec toute la presse, à collaborer avec toute la presse, dans le sens de l'intérêt national et non de l'influence mutuelle. Et autant, nous disons à toute la presse sénégalaise également, que euh, tout ce qu'on attend, c'est que la presse joue son rôle, ce rôle d'information, d'éveil des consciences. Et je crois que le groupe GFM le fait également euh, très bien. Voilà un peu, euh, en résumé, le sens de cette visite ici je pense que c'était une visite importante. Président, vous suivez justement euh, ce que certains dénoncent comme, euh, ou qualifient comme terrorisme, que sur les réseaux sociaux. Euh, et souvent, on dit que c'est des gens qui appartiennent à votre parti. Qu'est-ce que vous répondez à cela et je crois que j'avais déjà répondu à cette question lors du dernier Magal de Touba d'ailleurs. le réseau Internet, le réseau social, particulièrement Facebook, Facebook euh, a permis de démocratiser l'information ou la communication. Et vous ne pouvez pas avoir une maîtrise sur ce qui tout ce qui se fait là-bas. Euh, c'est pas parce que quelqu'un a mis comme photo de profil Ousmane Sonko, écrit ce qu'il veut, et à 80% quand vous cliquez, vous voyez que c'est de faux profils, où vous ne verrez aucun visage, si ce ne sont des photos abstraites, qu'on peut l'imputer à passer. Si on veut euh, imputer quelque chose à passer, ça doit être à partir de la communication officielle du parti, qui est une communication organisée au sein du bureau politique. mais ce gërëm euh, kilifa yi c'est fi fekk yëpp muy groupe euh, groupe bi Bouba di yor information bi ak ñi ñu àndal ñëpp ñoom El nous sommes ñoom euh, ñoom Souleymane Niang ñëpp ci dalal gi ñu dalal muy Euh, dañoo ñëwoon nemmeeku ndax ñëpp xam nañ ni groupe Futurs Médias am nañu ko songoon euh, song ko ñaari yoon sax defe na ndax njëkk nañu song rajo bi fële euh, defe naa benn fan wala ñaar ci gàtt ci après ñu songaat télé bi loolu du ñu rafet te diggaluñu ko kenn waaye ëllëg bu ñu nee lii demeewul noonu rek nga jug ne tey ma rey leen loolu ñun sant ñu ko kenn. presse boobu su amuloon tey man du ma taxaw fii di wax ak sénégalais ba ñu mën maa dégg ndax am na ay jamono yoo xam ne benn média moo fi amoon média d'état moo fi amoon ci journal RTS ci rajo ak euh, euh, euh, ñoom ñaar ñoo fa amoon tey suñu demee ba yàlla may ñu ñu am lii ba média privé yi mën a taxaw lu baax la ci démocratie ñaareel bi mooy ko yàq ndax alalu Sénégal nga yàq te bu tëjoon tey ay ay ndawu Sénégal ñoo ciy ñàkk liggéey ñoo ciy ñàkk xëy te buñ ci gaañee nit tam ka ngay dem gaañ sax ku dem ci xolam yow yaa ci ne wala ki ngay jàppale moo ci ne ndax wóor na ma fii soo duggoon fii GFM gëm naa ni kenn ku nekk am nga sa opinion te journaliste moomeewul di fësal opinion am waaye wóor na ma ni ñu ci bëri boo xooloon seen biir xol bu bëri bu baax a baax baax peut-être ñun lañu eh, ñun ñoo ci nekk kon ñu moytu di jaawale mbir yi ba muy indi yenn comportement yi moo taxoon ñu ñëw masawu leen waaye it profité ci lancé un appel en tout cas képp koo xam ne ñun nga déggal wala ñun nga àndal bu ñu la mës a déggati ñu ne yaa ngi dal ci groupe de presse wala yaa ngi toj groupe de presse wa ba ba ci war a war cee gaañ ay nit loolu daal moo taxoon ñu ñëw dalal ñu dalal bu rafet nag waxtaan nañu waxtaan bu xóot a xóot defe naa yu bëree bëri euh, baaxoon nañu gisee ci anam gi ñu leen di gërëm leen sant euh, di leen jàllale ci suñu nuyoo ci euh, PCA groupe bi muy euh, euh, monsieur Youssou Ndour euh, di ko rafet di ko jaajëfal ci effort bi mu def pour taxawal loo loo xam ne dina créer ay emploi fii biir Sénégal jërëjëf. di wax que ni kontaan nañu trop si présence su président Ousmane Sonko bu passé ak délégation bi yëpp tey jii Birane Ndour qui est le directeur général mu ngi fii El Hadj Assane Gueye nekk directeur wu rajo bi Souleymane Niang directeur de l' information Daouda Mine directeur de IGFM. di wax que ni ñi ngi contane di recevoir fi ci suñu kër parce que li fi xew yeen ñëpp yéen a ko gisandoo ci biir événement yi fi amone groupe bi quand même jot na ci euh, ay ay ay ci euh, biir lu metti ak radio bi ak Futurs Senegal, moy groupe bi nga xam mo mo jitu ci walu média fi ci Sénégal donc Sénégal buy dund fi ak fenen war nga mëna am accès ci groupe bi ñu waxtaan waxtaan bu xoot ci bureau yi lo xam peut-être di ko mën a ci biti vraiment ñu expliquante ku nekk comprendre sa morom je pense que à partir de maintenant amna mbir yu bari yo xam peut-être que nit yi defoon nañ ko seen xel dinañ ko teggi diko rassurer que ni fi kërëm la c'est pas la première fois mu ñëw fi man recevoir n'a ko fi avant donc vraiment suñu bunt yi ubbeeku na pour bépp acteur politique boo xam ne mi ngi Sénégal fii ñëpp ñoo ko bokk donc ki nga xam mom moko fondé defuko pour bopam def pour Sénégal télé bi ñun momu ko sénégalais yi ñoo ko donc ñukoy rassurer di vraiment content ci déplacement bi et je pense que par rapport à ce fi teunk wax ko vraiment nit yu bari dinañ gis que euh, en réalité képp ku fi def lu rek pour Sénégal nga ko defal le loolu am solo donc ñukoy que gërëm di di gërëm ñi mu Sénégal parce que tay gi ni lépp lu xew rek Sénégal ñu Sénégal moo ñu war a yitteel du ñu ay politiciens mais Sénégal moo ñu war a yitteel donc képp ko nga xam ne da nga am mbébét pour yore réew mi il faut quand même nga ubbi sa bunt pour média yëpp ñëpp mën a wax ak yow te loolu rek moo am solo donc ñu ngi lay gërëm président di la sant di gërëm ñi nga àndal ñëpp yàlla na jàmm yàgg. jërëjëf